Dans ce numéro de Tous à la Fada, nous parlerons du mariage des enfants au Niger.

comprendre les conséquences du mariage des enfants au Niger, nous avons posé notre studio dans les locaux du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Au menu de ce numéro des témoignages, des réactions des invités et du public mais également de la musique ainsi que la chronique d'Olivier pour finir. Selon le rapport de l'enquête de santé nationale EDSN, en 2012 au Niger, 76,3% des jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans se sont mariées avant d'avoir 18 ans. A Niger Pour faire le tour de cette question, nous avons avec euh, nous M. Mustafa Ahmadou de l'association islamique euh, Fouzia. Madame Hamidou Adama de la Direction générale de la protection de l'enfant et Mademoiselle Binta du COGEFIL qui est le comité des jeunes filles leaders de Niger. Avant de donner la parole à nos invités, écoutons ce micro-trottoir réalisé par Rukaya qui a recueilli quelques réactions des citoyens sur les conséquences du mariage des enfants au Niger. muna da yarinya karama wani lokaci ba ta da hankali mai mahimmanci wanda za su zamna lafiya da miji shi yasa kake gani ana armi kuma armi suna mutuwa da yawa na biyu kuma wurin in ta samu ciki in ta je wurin aifuwa shi ma ba karamin matsala ba ne saboda shi kake gani yau Nijar mu dole sai da ma muka samu aka yi wani santir wanda ake zamnar da mata waɗanda wajen aifuwa suka samu matsala wanda suke abin da ake faɗi yoyon futsari mace in ta shiga sha'anin yoyon futsari da ita da kwanciyar hankali da daɗin rai babu sai dai in ta samu aljanna lahira wannan amma in dai a duniya dai ta kare iyayenta ba sa son ta miji ba ya son ta yan uwa ba sa so la fille qui n'a pas atteint le stade de se marier à la fistule elle pourrait même pas gérer ce foyer souvent ce genre de cas elles ont des corpus. Donc, ce qui va amener des bagarres, des biscuits. Et il y a la scolarité aussi. La fille, elle est contrainte à ne plus étudier. Une fille qui n'a même pas atteint l'âge de 15 ans, on ne peut même pas aspirer à ce que cette fille pense à être enceinte lors de l'accouchement. Le bébé ou la mère, eux deux peuvent mourir. Ou l'enfant va, va naître avec euh, une malformation. Sur le plan social, elle empêche le développement de notre pays. De plus, une fille qui est mariée tôt n'est pas scolarisé. Euh, madame euh, Hamidou, vous venez d'écouter la réaction de nos auditeurs sur euh, les conséquences du mariage des enfants. Qu'avez-vous à ajouter par rapport aux conséquences sanitaires On en a parlé dans le micro-trottoir et également socio-éducatif. Donc, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité pour nous exprimer sur le mariage d'enfants parce que cette thématique constitue une priorité pour le ministère qui a en charge la protection de l'enfant. Donc, comme nous venons de l'écouter, le mariage d'enfants a beaucoup de conséquences qui sont diverses et variées. Comme ils l'ont déjà souligné, surtout sur le plan, on peut noter sur le plan sanitaire, sur le plan socio-éducatif et sur le plan économique. Si je prends par rapport à l'aspect sanitaire, qui dit mariage du grossesse. Donc, l'enfant qui est marié, automatiquement, elle contacte une grossesse. Or, son organisme n'est pas encore développé, son utérus n'est pas apte à, à, accueillir un enfant. kenan un bisa kan lahiya shine kamar ciki yarinya karama ta dauki ciki bai kai ba bai kai ba mm. ma aihuwar da ko me utérus bai da karhin inda zai riƙe yaro ga aihuwa wata ran sai ta zo da matsala matsalan nan yana iya kawo ma yarinyar nan cuta iri-iri kamar wanda muka sani dai na rishin rike hutsari yoyon hutsari ko wata ran har bayan gari yanzu in kuka tahi hospital national ko akwai wani santar da ake ce ma santar da fistulas sansonisi kun iske yara da yawa da suke nan da suke da irin wannan ciwon da suka yi wajen shekara ɗaya biyu hudu fiye da haka nan suna cikin likitocin nan zamni kuma aski ana iya cewa har da mutuwan yara da uwayensu kankana yana cikin irin matsalolin da ake iya samu ake samu kwarai kuwa yana cikin matsalolin nan tun da an yi bincike sun gwada ke yaran da iyan da yaran nan da basu kai ya matan nan basu kai ba karfin su bai kai bisa aiho su in suka aihe su yaran nan suna da matsala wajen rayuwarsu da wurin su samu su koshin lahiya ba koshin lahiya ba mm-hmm. kaman in in mace ta isa ta, ta aihu yadda ta san yadda za ta kula da jikinta ta san yadda za ta kula da ɗanta to yaro shi ma bai san yadda zai kula ba ta san yadda za ta kula da kanta balle ta kula da yaro Okay. Oui. Mais également, nous savons que ce mariage des enfants a des conséquences sur le plan socio-éducatif. Il y a, il y a rien. balle a yi zancen aiki aiki ba a ma zancen shi to yaya ne kuka gani wannan yana kika faɗe shi haka ne ne gaskiya yara ba a sa ta ba yarinya ba a sa ta ba lakwal ba zama tun da matsala ma abin da ke kawo yawa arman yara ƙanana rishin lakwal kin nan kenan an sa yaro lakwal yalla ya yi dama dama iyaye sun yi haƙuri har ta ci gaba da lakwal ɗinta watarin kuma suna huddata watarin yarinya tana cikin lakwal ɗin ne ma ake huddata a mata armi a mata armi kenan lokacin da ita take gida armi abokanta sauran yara su suna zuwa lakwal ko suna koyi wani aikin hannu da zai sa su samu abin da za su iya rike kansu su unhani kansu su unhani iyayensu su unhani ƙasarsu garinsu. Mhm, merci madame euh, hamidu nous revenons vers vous monsieur mustapha ahmadu nous voudrions savoir wannan irin ƙa'idodi ne musulunci ya ɗauka don ya kare hakkin kan wannan sur le côté sanitaire et également sur le côté éducatif. Que dit l'islam Comment l'islam protège les enfants contre toutes ces conséquences Directement, moi j'allais vers le verset numéro 6 de la sourate euh, Les femmes, dans lesquelles, euh, pour la première fois, Allah subhanahu wa a institué les mariages même. Et dans ces versets là qu'est-ce qu'il dit il dit d'abord éprouver la maturité des, enfants avant de les donner en mariage. Éprouver la maturité des enfants avant de, les donner en mariage. Et un peu plus loin dans le même verset, il dit que si vous ressentez en elle vraiment à c'est-à-dire la, vraie maturité, ça veut dire qu'il faut la remettre leur bien, c'est-à-dire on parle des orphelins ici, même si c'est des orphelins, à plus forte raison, donc les parents qui sont donc, donner leur, leur bien. C'est-à-dire, en ce moment, on sait que quand elle va chez son mari, elle a au moins la conscience de dire que ça, c'est mon, mon argent, ça, c'est l'argent de mon mari, et elle sait comment elle va gérer les deux choses. Donc, c'est comme ça que l'islam a jugé la maturité des enfants. Maintenant, de l'autre côté, là, toujours dans les cas de protection, les mariages, on a dit, il y a des principes que l'islam a tracés, si c'est dans l'essence de l'islam qu'il est fait. Et je disais que euh, dans l'explication euh, chronologique de, de la situation des enfants en mariage, Omar ibn Khattab, qui est le deuxième calife, a donné déjà des signal lorsqu'il disait euh, éduque-les ou là, 7 ans, c'est-à-dire l'éducation parentale, fille ou garçon, la droit sur toi, les parents, d'être éduqués. Akwai shekarun da aka kayyade kowane mataki. Kamar wajen matakin na harko dai da ka aiho yaro aka ce ka bashi tarbiya ko mace ce ko namiji ne tsawon shekara bakwai. Tsawon shekara bakwai tarbiya kamar ka koya mishi zama, ka koya mishi yadda ka kama nono, ka koya mishi shekara bakwai. In ya tashi kai dan shekara bakwai aka ce ya ce sai ka tura shi makaranta ta waje shekara bakwai makarantar nan ta waje kai da malamin da za da shi can wurin za ku aikin ba tura shi ba za ka kabar shi a aka ce ku yi aikin tare kenan shekara bakwai kana kula da karatun shi sai ya kai dan shekara goma sha hudu ya ce in ya cika wannan yanzu matakin da za ka ɗauka kai ma'aihi shine ka zamanto abokin shi ke kuma ki zamanto a bikiyar yake inda duk zaki ki koya mata ki ce mata in aka je gidan miji ga yadda ake yi in aka je in zaki ga yadda zaki in zaki kaza in kina son ki ci riba dukiyarki ki ga yadda zaki kina taya da ita din da zaki baki barin ta dan na ji wa'ansu wanda suke cewa a ina tsoron ta ɗauko ciki ba a ce ba ma ki barta addinin musulmi a yi ki zamanto tare da abinki ko da yaushe kai kuma ka zamanto tare da ɗanka in gara da kake ta aiki ka da shi ka ci mishi kaga wanga in gara da kake son kai ga yadda ake a ciri ba shekara bakwai za ka wani aikin shekara bakwai bakwai gida uku su suka shekara ashirin da ɗaya kenan shi ne ya ce lokacin nan kuke iya ku ɗauke su sun kawo hankali sun isa a yi shawarar ma rayuwarsu kenan in muka gane muku kama ko a musulunci ma an tambaye ka ka riƙe ɗanka ka bi shi sau da ƙafa kana bin wannan kinshi har sai ya kai shekara goma sha bakwai don ka 21 ans mem an islam 21 ans 21 ans, pendant 21 ans, on doit suivre son enfant jusqu'à sa maturité avant de... Il n'y a pas mieux que, a euh, pas l'islam pour, la protection de l'enfant. Je vais très rapidement vous dire quelque chose. Peut-être les gens se réfèrent au mariage du, prophète avec Aïcha anha. Mais ça, les mariages, ce n'est même pas 9 ans. Elle a 6 ans lorsque le mariage a été concocté. On l'a amené chez le prophète en tant que femme mariée sa femme mariée pendant 9 ans. Elle a 9 ans lorsqu'on l'a amenée. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est donné à tout le monde Et avec toute la, euh, la prédisposition de procréer que cette, cette, euh, cette fille-là, Anna, elle n'a jamais eu l'enfant avec le prophète. C'est avec les vieilles femmes qu'il a eu ses enfants. Donc les, jeunes devraient se faire des choses. Maintenant, pour, pour tester le prophète, pour savoir si on peut le faire, Abou Bakr Abou euh, Aboukar Siddiq, qui est son, premier compagnon, qui est même le père d'Aïcha, c'est lui-même qui lui a donné Aïcha, quelqu'un à qui il ne peut rien refuser, est venu demander la fille de sa fille Fatima, qui a approximativement le même âge que Aïcha lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète. Il lui est venu demander sa main pour Ali, qui est déjà son cousin du, point de vue du rapport parental. Et le prophète a répondu, elle est encore petite pour le mariage. À, 9 ans, elle est encore petite pour le mariage. À 9 ans, elle est encore petite. Donc, pour les parents qui disent sur la base de l'islam donner leur fille à 9 ans, Déjà, cette base, euh, l'islam n'est pas d'accord avec euh, hmm. Donc, nous allons souffler en musique. Donc, comment anda euh, kuka sani cikin à la fada kaɗe-kaɗe shi ma da wurin shi. est efficace. Je n'ai pas le temps, bitch, dis-moi si tu prends euro ou c'est fort. Et Charlotte à tous les lookies depuis le début, on donne la seule force. the new bread, Let is the new bread, Bleda is the new bread, Let is the new bread. Un à qui pèse le les the new bread, new Et est trop noir, mais le blé gros grosse Et ton bébé, j'ai vu grosse fini, frappé dans Oko à Assini. Demande à Jaja des mots qui lit, nous on connaît pas la vache qui rit. Blé d'un is the new fresh, Coco t'as eu des stress. J'avais rêvé rêve de d'un donc si yao, j'ai mis Côte d'Ivoire, chier. Blé is the new fresh, blé is the new fresh, blé is the new fresh, blé is the new fresh. Un OG à Paris qui pèse le game validé par les tourbats Blé is the new fresh. juste après cette pause musicale, je reviens vers vous, euh, mademoiselle Binta. Vous formez des jeunes filles que vous allez rencontrer sur le terrain, sur le leadership, l'autonomisation, l'importance de la scolarisation et tout. Comment vous vous en sortez avec ces filles qui ne pensent qu'au mariage ou qui vont être bientôt forcées d'être mariées ou qui sont déjà mariées Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain Donc, euh, Déjà, le but de toutes ces actions, c'est de promouvoir la femme, son éducation, comme vous l'aviez dit. Et la principale problématique, euh, c'est au niveau des parents. Donc, ce sont des parents qui peut-être ne sont pas instruits, qui ne connaissent donc pas l'importance de l'éducation. Donc, tout le problème se joue à ce niveau-là. Et au-delà, il faut savoir qu'il y a des, filles, des jeunes filles qui, qui savent déjà ce qu'elles veulent. Et nous, nous venons euh, à cette étape-là pour les promouvoir euh, les aider à savoir euh, réellement quelle voie prendre pour devenir euh, ce à quoi elles aspirent être. Donc c'est en ce sens que nous intervenons dans tout ce qui est promotion du leadership. D'abord, quel est le but de leur vie, qu'est-ce qu'elles veulent devenir, comment est-ce que nous pouvons les guider, les renseigner. c'est cela le travail que nous faisions en réalité. <laughs> ba ku isa ba ku sa mu cikin wannan hanya ko jahilci dai ne kenan ba a san muhimmancin eh, ilimi ba neman ilimi wannan duka ana gani akwai yaran da suke so uwayen ba su yarda kenan wani duka sai an jama uwaye hankali a sama kwatanta musu da ilimi ba lahani ba ne alheri dai madam euh, hamidu Adama Est-ce une difficulté que vous rencontrez également dans la mise en œuvre des mesures que vous prenez au niveau euh, du ministère? Mm -hmm. wani irin matsaloli ne ku kuke samu mhm. matsaloli kamar wanda ake samu dai shine wajen rishin ganewa na ma'aihwa da mutanen tun da diya ba su gane ba kamar yadda malami yanzu ya haɗi diya sai su ce ai addinin musulunci ne ya ce armar da yarinya tun tana karama kun shi ko yanzu yadda malami ya haɗi addinin ma haka bai ce haka kenan akwai rishin gane wannan da ya shiga cikin kanin mutane kuma arman da ƙananan yara abu ne da ya daɗe tun kakannin kakanni kenan da wuya a ce nan da nan a hwasa kenan sai an tahi sannu sannu yau da gobe ana waye musu kai ana ganewa ran yana yiwa a kai inda za a hwasa shi mutane su gane ma'aikwa su gane. Mhm. Donc euh, à ce niveau, à ce niveau de toutes les luttes qui sont menées au Niger, Mhm. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées On a quand même quelques résultats qui, euh, sur une note d'espoir quand même. Mhm. Hein. Ah oui, je peux dire qu'il y a des avancées parce qu'il y a des études ont démontré qu'il y a eu le, taux de mariage d'enfants a tendance à diminuer, mais quand même ça persiste encore. Et il reste beaucoup d'efforts à fournir pour pouvoir mettre fin à, cette thématique. Euh, Oustaz euh, vous avez également des difficultés à faire passer ce message euh, par rapport à l'âge. L'âge euh, à partir duquel l'enfant doit être euh, dans son foyer. Dans vos travaux, vous avez eu à rencontrer des difficultés aussi Bon, vous savez, les difficultés, je l'ai dit au début de l'émission. J'ai dit que l'ignorance, c'est quelque chose de très difficile à combattre. Quand il y a l'ignorance, donc c'est un peu difficile, il faut avoir plusieurs euh, pédagogies pour amener les gens à comprendre. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect des choses, c'est que c'est les, complexe complexes de leadership au sein même des leaders religieux. Quand tu n'as pas un tel niveau ou bien tu n'as pas atteint, atteint telle jurisprudence, donc pour toi, si quelqu'un l'a dit, c'est faux. Et tu vas distiller dans la, la communauté que non, non, l'autre là, on ne sait même pas où est-ce qu'il a ramassé. Alors que l'islam est vaste c'est est vaste, pas, parce que toi, tu n'as pas rencontré dans ton cursus euh, une jurisprudence ou une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle n'existe pas. Donc voilà les difficultés que nous avons. C'est entre nous d'abord. c'est pas entre nous et les fidèles. Les fidèles, et, ils cherchent même à se libérer par rapport à un certain nombre de, de, de questions. Euh, Malheureusement, ba kowa qui ne ke certains fassarta musu abu yadda za su gane shi na ɗaya kenan kuma mutane ba su ta yi buɗe ilimi ba da kamata har same shi yadda za a kai su su gane hakikancin abin saboda kamar zance na maudu'i na arme da surtu arme na armar da yara da rike su wallahi maudu'i ne wanda tsawon rayuwarka baka karewa sai dai ka yi bakin kokarinka ka yi abin da ake ce maximum ka raka su har su rabu da abin nan faske duk abin da za su yi na lehi ko ko eh, ciwon da za su yi. kai ne responsible kuma kai ne Allah za ba kenan kai za Allah zai tambaya kai ne Allah za ba mm. kenan dole ne ka nemi ilimin ka san abin kan ka shige shi bai kamata ba kai duk abin da zo maka ganka ce a wanga malam wani ne bai san komai ba mm. a a kai aiki ko ko ka bidi menene source kin shi daga ina ne tsamo abun eh voilà c'est nécessaire c'est nécessaire eh. donc euh, merci monsieur Moussafa nous rappelons aux auditeurs de nos 38 radios partenaires qui nous reçoivent dans toutes les régions du pays de nous envoyer leurs questions. Ils peuvent également recevoir tous nos contenus en s'abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 de Kamasu Shuraramu suna iya samun shirye-shirye mu kuma su mana a bisa mu ta WhatsApp Des auditeurs euh, nous ont également envoyé leurs questions. Nous faisons écouter euh, ces questions à nos invités. Je me nomme Salisu Abou Hadiza, étudiante en filière droit de l'homme et action humanitaire. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend par mariage des enfants. Qu'est-ce qu'on entend par mariage des enfants donc, euh, nous avons parlé des conséquences. Là, il y a une de nos auditrices euh, qui voudrait savoir qu'est-ce qu'on entend réellement par mariage des enfants, Madame euh, Adama. Effectivement. Par mariage d'enfants, si je prends, le Niger a pris beaucoup de mesures pour la protection des enfants. Dans ce sens, il a ratifié beaucoup de textes internationaux qui visent, comme je l'ai dit, la protection de l'enfant, dont le plus important est la CDE, la Convention des droits de l'enfant. Donc cette euh, convention définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc le mariage d'enfants concerne les enfants qui sont mariés avant l'âge de 18 ans. C'est ça qu'on appelle mariage d'enfants. Avant l'âge de 18 ans. Donc nous allons souffler en musique. Donc merci euh, pour ces éclaircissements. Nous revenons juste après Come to my bedroom. I'm Oh my, i the bad. Baby, with you, Gucci. Ah, baby, Lucy. You you motto, baby. Nobody go, nobody, nobody no go, no, no go. I want to use my money to satisfy your brain for you, permit me. you ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour poursuivre avec ce reportage réalisé par notre correspondant de Maradi à l'occasion du forum sur le mariage des enfants, une initiative du ministère en charge de la protection de l'enfant en collaboration avec le médiateur de la République. Suivons-le. Maman, papa, il est très tôt pour m'occuper d'un foyer. Je ne suis pas encore mûre pour porter une grossesse. Je serai exposée à des risques énormes. La justice les divorces, j'ai mourir et mon enfant aussi. Pour moi, l'éducation d'abord, le mariage après. Le décor de ce forum a été planté par cet appel des jeunes filles présentes à la rencontre. En effet, l'objectif principal de ce forum national est de renforcer la synergie d'action des partenaires, les communautés et l'État afin de lutter efficacement pour l'élimination du mariage des enfants. Selon la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Elbak Zainabou Taribako. Ce phénomène reste préoccupant dans les régions de Maradi, Zender et Difa. Selon le DSN 2012, en moyenne, 76,3% des filles du Niger sont mariées avant l'âge de 18 ans et les régions de Maradi, Zender et Difa sont nettement au-dessous de cette moyenne avec respectivement 89, 87 et 82%. Pour combattre ce mariage des enfants, leur maintien le plus longtemps possible à l'école reste une des solutions selon Imam Moussa Ibrahim de Walam. Aujourd'hui, nous savons tous que donner la chance à nos filles d'aller à l'école est le vœu et le souhait de tous parents. Et aujourd'hui, tous les leaders religieux, les leaders coutumiers ici dans la salle sont unanimes que la religion n'incite pas vraiment à donner les enfants en mariage dans le bas âge tant que leurs conditions vraiment de vivre une vie conjugale adéquate ne sont pas remplies. Les chefs traditionnels annoncent qu'ils sont contre ce mariage et s'engagent à œuvrer aux côtés des autorités politiques pour sensibiliser la population. Cependant, l'honorable chef de canton de Tessawa, Maïgizo Kane Mahamman Mansour, estime qu'il faut laisser une petite fenêtre de manœuvre pour la communauté dans certaines conditions. Elle peut tomber enceinte hors mariage euh, alors qu'elle euh, est amoureuse du monsieur qui lui-même l'a enceinte, qui est amoureux d'elle ils peuvent euh, s'enfuir, euh, elle et son copain, pour s'éloigner de leurs parents qui ne veulent pas de leur mariage. Donc, euh, pour permettre à cette fille-là d'avoir une mention, une sortie honorable par rapport à la situation dans laquelle elle s'est elle-même jetée, nous proposons que celui qui l'a enceinte la prenne comme un mariage. Il ressort de ce forum de deux jours des recommandations, surtout à l'endroit du médiateur de la République pour l'harmonisation du cadre législatif et coutumier au ministère de la Protection de l'Enfant, une étude la mise à jour des statistiques sur la prévalence du mariage des enfants au Niger. Retour avec euh, nos invités ici au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Qu'avez-vous à dire, euh, Oustaz, sur euh, cette marge de manœuvre proposée par le chef de canton de Tessawa La question qu'il a posée, c'est une question qu'on peut retrouver dans un verset du Saint-Coran dans lequel Allah a déjà prévu ce scénario. C'est le verset 21 dans la sourate Al-An'am. donc dans la sourate Al-An'am, c'est la sourate numéro 30 du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous les liens d'affection c'est-à-dire et de la bonté, c'est-à-dire la miséricorde, c'est-à-dire de pitié. Ça veut dire que euh, même s'il y a une cohabitation entre un homme et c'est les liens devraient être un lien d'affection et de pitié. C'est-à-dire vous devrez mettre en avant sa santé, n'est-ce pas, son bien-être et surtout son avenir. Donc vous pouvez, vous, pouvez, vous, pouvez, vous pouvez prendre une fille, mais il faut garantir ça. Si vous savez que vous pouvez garantir cela, là, cette marge dont il faisait allusion, elle est, possible. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'omniscient, il connaît que l'homme ne peut pas être juste, c'est pourquoi d'autres garde ont mis de côté cette disposition, n'est-ce pas, donc de laisser un enfant à bas âge, innocemment, aller se, euh, euh, aller positionner dans la position de communion avec un autre homme. Donc c'est très, très difficile. Même entre les enfants eux-mêmes, des mêmes âges, donc euh, si l'âge est au bas, niveau, il est interdit en islam de les communier, de les, de les mettre en communion. Parce que la vie conjugale en islam, c'est quelque chose de très important. On ne la donne pas à des inconscients, les enfants qui n'ont pas encore atteint les choses. Il vous suffit de comprendre. Même la grossesse, il y a un enseignement. Toute fille qui n'a pas appris comment est-ce qu'il faut supporter la grossesse, elle va souffrir. Elle peut, elle peut même tomber euh, en problème psychique ou bien mourir même. Parce que l'enfant peut désirer une position dans le ventre, dans la nuit. Si elle n'a pas appris comment elle va faire, elle ne peut pas comment elle va le satisfaire. Et elle va la, la piquer, il va la, la, la, la, poignarder à l'intérieur. Et elle va se sentir... Elle peut même succomber, je vous dis. Donc ce sont des choses, ce sont des choses que ce n'est pas au hasard que l'islam a pris de, de, garde-fous pour dire qu'il faut laisser les, enfants, filles et garçons, être à l'école, apprendre jusqu'à l'âge minimum de 21 ans. Minimum 21 ans. Minimum 21 ans. Mademoiselle Binta, tu es jeune fille, donc euh, tu peux nous dire de ton point de vue comment où est-ce qu'il faut appuyer Mine ni kamata ayi. Basa yanzu ana ca yara ana musu arman dole wasu kuma ba ma dole ba ne wasu kawai sun matsi ne to ke ga ganin ki ke ga kinan ya ce yaya kika gani ake iya a jawo hankalin 'yan mata bisa kan duka irin matsalolin da suke iya samu in aka yi wanga kamar bisa kan wani irin fanni ne kamata a ɗauka musu don a samu a jawo su Le mariage déjà ce n'est pas une course Donc, et c'est ce qu'on a tendance à faire comprendre. Je le disais tantôt, moi je pense que le problème du mariage là, euh, les jeunes filles vient de, la faute des parents. Donc aujourd'hui, quel que soit le statut d'une femme, on a tendance à lui dire sur quelle base un humain un humain, un humain a sa valeur, en tant qu'humain d'abord. Pourquoi est-ce qu'on conditionne la valeur d'une femme, la stature, la position, euh, l'honneur, la dignité d'une femme au mariage Non, je suis désolée, il faut, il faut d'abord qu'on appuie sur ce bouton-là, parce que c'est là où ça fait mal. On ne peut pas venir dire aujourd'hui, euh, qu'il faut, dès qu'une femme a atteint l'âge de la puberté, ou même bien avant, qu'on commence à lui parler du mariage. Et c'est les parents d'abord. Euh, dehors, c'est la même chose. Les parents doivent, doivent euh, protéger leurs enfants. Il faut que ma fille étudie. Il faut qu'elle sache que si elle se marie, c'est pour plaire à son Dieu, parce que nous sommes des musulmans. le mariage, ce n'est pas une histoire d'enfant. C'est pour faire plaisir à Dieu, c'est pour avoir des enfants, c'est pour évoluer dans la vie. C'est pas pour regresser c'est pas pour progresser. Merci, euh, mademoiselle Binta. Donc, euh, nous recevons tout de suite Olivier qui va nous dire euh, sa chronique. Salut, chers amis jeunes. Heureux de vous retrouver pour la chronique hebdomadaire du programme Jeunes. Je commence cette chronique avec des chiffres qui illustrent la présence féminine dans l'espace médiatique. Rabi, tiens-toi bien, en 2019, les équipes rédactionnelles dans le monde sont composées de seulement 27% de femmes. Ces femmes occupent des postes de responsabilité. Ceci, c'est selon le rapport semestriel médiation publié par la Fondation Hirondelle. Et au Niger au Niger, pas de chiffres à donner, mais il est à constater que les femmes refusent de prendre la parole, ne serait-ce que pour des interviews. À ce propos, écoute Falmata Traoré de l'ONG Dimol. Euh, j'ai constaté que euh, la culture joue un rôle important. Les femmes nigériennes pensent qu'il euh, faut se taire, alors que Aujourd'hui, quand vous avez des acquis, vous êtes, formé dans un domaine précis et que vous décidez de contribuer à améliorer une situation donnée, la meilleure voie de communication, c'est d'émettre, de convaincre les autres à adhérer à ce que vous, vous voulez comme changement. Vous ne pouvez pas être dans tout le Niger si ce n'est pas à travers les médias autant véhiculer euh, l'information pour qu'il y ait quand même euh, un impact au niveau de notre communauté, surtout que c'est une communauté. Alors, euh, quel message à l'endroit des femmes qui nous écoutent en ce moment Qu'elles aient une ouverture avec les médias parce que si c'est gratuit, c'est une chance pour elles. Olivier, merci. Qu'est-ce qu'il y a au menu de l'agenda Jeunes de cette semaine Oui, nous sommes dans les derniers réglages du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Les jeunes Nigériens sont invités à déposer leurs projets dans les domaines de la migration, de l'égalité genre, de l'éducation. Ils peuvent postuler sur le site UA Niger Challenge et tenter de décrocher un financement. C'est jusqu'au 23 juin. Pour ceux qui sont fans de la mode et ambitionnent ouvrir des startups dans le domaine, le salon Aske ouvre du 4 au 6 juillet un hackathon pour accompagner ces derniers. Cela va se passer à la Blue Zone de Niamey. Et Olivier, c'est quoi un hackathon Bien sûr que oui, Rabi. Un hackathon, c'est un événement au cours duquel des spécialistes se réunissent durant plusieurs jours autour d'un projet collaboratif de programmation informatique ou de création numérique. Donc, Concrètement, les participants au hackathon ASKE seront formés pour monter et démarrer des projets numériques dédiés à l'innovation dans la mode, l'art de vivre et le design. Merci Olivier. Est-ce que c'est tout pour cette semaine Non, Rabi, pour les amis jeunes, je les recommande simplement les sites habituels d'offres d'emploi, de visiter l'agence nigérienne pour la promotion de l'emploi et de parcourir également les journaux. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci Olivier. Nous étions euh, au ministère de la promotion de la femme et de l'enfant. Nous remercions nos invités. Dans cette rencontre, on a abordé les conséquences du mariage des enfants au Niger. Le ressort de nos discussions que l'islam recommande aux parents de maintenir les enfants à la maison jusqu'à l'âge de 21 ans minimum. Donc, euh, amis jeunes, c'est aussi la fin de tous à la FADA. L'équipe et moi, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. 4 de Deux de bisa kan wannan shirin namu na duka mu haɗu fada suna iya aiko mana tambayoyinsu a bisa kan lambar mu ta whatsapp ita ce 80 6 88 54 au revoir et à bientôt sur tous à la fada